merci président Omar euh, Nous sommes di nuyu remercier qui action bien en faveur de la population action bi association Bambey de Fouarado en faveur de la population du département de Bambey Nous avons ci consultation gratuite ak don de médicaments Nous avons fait nous bi vraiment mhm. la structure nationale mhm. Mhm. autorité yi développement dëkk bi bon di aussi démarche parce que ngeen vous êtes une association. ngeen jël une décision am ngeen liberté. pour organiser pour def activité. mais quand même bi ngeen amee idée bi da ngeen di ñëw ci autorités yi fi ñu ko mhm. donc reconnaissance le mhm. kon dañ leen ci sant grum mhm. donc xam ngeen aussi comme ni nga ko la santé est une compétence qui est transférée aux collectivités locales de telle sorte que cër biñ ci war a am jox ngeen en tout cas ñu ngi rafetlu lool di leen wax ne aussi dinañ continuer comme ni ko docteur Radje di leen accompagner Nous na ñun ay élus mais ci domaine santé yéen yéenay techniciens yi de telle sorte que boo leen amee programme bépp programme boo xam ne dafa jëm ci jàppale population Bambey bu ngeen ñu ko soumettre liñ ci war a jàpp dinañ ko jàppe parce que xaj nañ ñun orientation yi lañ ci mën a am mais les aspects techniques maîtriser wuñ ko mm-hmm. donc on est ouvert ñu leen di xaar Euh, décider de ak dans ce domaine mm-hmm. en tout cas le programme boo leen ci am mu jëm santé. C'est mm-hmm. ah, ce ko lim mm-hmm. parce que une priorité. je suis enseignant de formation. mais sais que développement ce ko éducation de qualité et une santé de qualité. aussi population a une tendance. à structure de santé par manque de moyens kon buñu gisé ño xamé xam mën nañ leen consulter gratuitement may leen ay médicaments gratuitement donc initiative yu melni nii dafa wara bari parce que bu pas dina permettre population yi ñu am habitude di fréquenter structure de de santé mhm. donc bu bëree aussi dina permettre comme ni mako ko légui mhm. parce que bo défé consultation ba paré war nga tirer bilan. Mhm. té bilan bi ngén ci tirer dina mën permettre structure de santé yi nek en place. Mhm. ñu mën a xam yan façon pathologie le fi dominer ci département bi ba gën leen a jël en charge. donc pour woné importance vraiment consultation bi. nombre bi aussi comme ni ngén ko waxé amna importance. je pense que euh, c'est la première fois comme l'a dit le président. amna na ñu fi jottu def. parce que daaw def nañ ay mais mhm. c'était en ophtalmologie mhm. c'était en ophtalmologie mu suis ak avec mon partenaire partenaires italiens mhm. ñu 2000 paires de verres Nous avons des spécialistes ici. ñu jàppale ci population mais c'était typiquement en ophtalmologie donc mais bi, moi ëpp dayo parce que spécialistes sont ci bëri Et nañ te li gën sont santé population yi mooy spécialistes parce que ici dans la zone spécialistes yu bari yu amuñu fi. Mhm. donc nekkuñu fi constamment. Mhm. donc bu ngeen permettre population ñu accéder ci spécialistes yoy vraiment ñun ñi nga xamanteni ni représentant population au plus haut niveau. Mhm. dañ koy rafetlu en tout cas di leen ci sant. di leen ci gërëm di leen vraiment ñun paré nañ pour accompagner parce que c'est vrai que ay autorités politiques mhm. mais avant d'être des autorités politiques et citoyens Bambey C'est le premier parti moi Bambey avant d'être notre parti C'est mhm. ñun